Aujourd'hui, sur cette émission, nous allons recevoir une fois de plus Tiblaza. Cette fois-ci, pour parler de ses œuvres artistiques. C'est de cette façon que se veut la rubrique euh, L'artiste s'exprime. Tiblaza, Dandy la machine te souhaite une fois de plus la bienvenue sur cette émission. Tu vas bien? Tu es en forme Ouais, ouais, je veux bien. Je veux bien, je veux bien. Et puis on pote hein, tu peux me tutoyer, pas de souci. C'est ça aussi, l'émission de Tout ça, la fada. C'est anti-jeune, quoi. Alors, Tiblaza, aujourd'hui, on va parler un peu, n'est-ce pas, de ton. Euh, de tes œuvres artistiques hein, sur cette émission. On sait que tu as évolué au sein de la formation Niflo. Mais avant Niflo, tu m'as dit que tu avais euh, formé, disons, un groupe avec, euh, n'est-ce pas, Baron de l'Ader. C'était quoi Qu'est-ce que vous avez fait dans le temps avec Baron de Lader En fait, le euh, Baron de Lader, vraiment, <clears throat> je peux dire que c'est quelqu'un qui m'a vu avec ma musique en moi. Donc, il m'a rapproché pour vraiment me, donner la, chance vraiment de m'exprimer de faire ce que j'ai fait. Et ça, c'était depuis l'enfance, je vous dis. <laughs> D'accord. depuis l'enfance. Donc avec le temps aussi, vraiment, on a évolué. Il a quitté Tawana. Oui, bien sûr. Pour revenir à Niamey, c'est là où j'ai rencontré d'autres gars aussi branchés pour continuer, la carrière le ensemble. Combat. Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, vous avez, vous avez pu enregistrer un son avec euh, Baron de Lader Oui, on a enregistré un son, c'était un facile comme avant, il n'y avait pas trop de studios. De studios, bien sûr. Et là, c'était en quelle année Tu te rappelles de l'année C'était en 2008, je pense. 2008, ok, super. On va, on va parler un peu de, de cette formation euh, au sein aussi de laquelle tu as évolué, Niflo ah, ah. Wakana Masiba. Oui, Niflo, on a juste un album et ah. plus qu'un sons. Mhm. Un album de 14 titres. Mhm. Est-ce intitulé Rendez-vous. Rendez-vous. Ok, d'accord. Alors nous. avec Europe R&D. Ok, et nous, euh, euh, on avait, on t'a donné rendez-vous aujourd'hui pour parler de toi et de ta carrière et de tes projets. Tu nous as dit dans l'angle 1 que tu prépares un album aussi en carrière solo qui va parler de toi, et de ton histoire, c'est ça Alors parlons de cet album qui se prépare. Déjà des sons et des titres disponibles ou pas il y a des titres déjà disponibles et je compte même bientôt lancer le premier clip, Inch'Allah, du décembre. C'est quoi le premier clip que tu verras oui, C'est le titre et le son qui fera l'annonce de mon album, Inch'Allah. Oh. Et c'est quoi ce que tu voulais annoncer là C'est Bafoukina. Avec ma voix, j'ai t'ai fait voyager. La joie qui m'anime est partagée. Ah, ah. Laisse-moi aller faire la suite danser. Je m'installe pour t'ambiancer merci Tim Blaza reste très très très très bientôt ok d'accord nous sommes donc euh, euh, n'est-ce pas presque à la fin de cette rubrique et l'album va s'intituler comment déjà ouais l'album il est au studio on travaille toujours l'album pour, pour que ça soit vraiment ce que les gens attendent des mois. D'accord, Tiblaza, nous sommes à la fin de la deuxième partie. L'artiste s'exprime, c'est la dernière partie de l'émission où on donne la possibilité à Tiblaza de dire tout ce qu'il pense. Alors, tu as la parole Tiblaza. En tout cas, les femmes, je les remercie si aujourd'hui nous sommes écoutés dans le monde entier, dans mon propre pays, chez moi, les déjà, C'est à cause d'eux, ils ont fourni un tas d'efforts et merci infiniment pour ce qui sont pour nous et ce nous attendent sera du lourd. Et spécial remerciement aussi à tous les grands qui nous soutiennent, du près ou de loin. On est vraiment fiers d'eux, on est contents de Grâce à Inch'Allah, on ira loin, loin jusqu'au sommet, Inch'Allah. Merci Tiblaza, bien vous Merci aussi. Respect à, nos amis auditeurs, auditrices qui kiffent cette émission depuis Tawab. Nous vous demandons donc de rester en compagnie de l'émission Tous à la Fada. Tout de suite, la suite.